2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. ala fetna rodna watay Barka barkaji moɗon e won jagol hitane jama'a barkamu da sabuwar shekara Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Mardi 9 euh, janvier 2024, il est 11h à Niamey et partout au Niger. Chers auditeurs de l'émission Le Niger sur Kalangou, très ravi de vous retrouver ce matin. Vous êtes en compagnie de Rabia Mekano et Rukayatou Abraman pour la présentation. Bonjour Ruki. Bonjour Rabi, comment tu vas Ça va, je me porte bien. Alors qu'avons-nous au programme de ce matin Ruki, comme d'habitude, nous aurons le flash d'abord, la rubrique hebdo qui va parler santé, le reportage région qui nous mènera à Maradi, sans oublier notre page sport et le lot de l'équipe femme du studio Kalangou. Rabi, depuis quelques années, le goulbi de Maradi fait face à des crues qui affectent le maraîchage très développé dans la zone. En déplacement de la région, Rabi, tu t'es entretenu avec un des maraîchers touché par la montée des eaux du Goulbi. Oui, Ruki, nous suivrons l'intégralité de cet entretien dans quelques instants. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans la dextérité de nos techniciens de l'autre côté de la vitre. Un gros coucou à Issa Laoli et Adamadoaki qui assurent l'édition. Fidèles auditeurs, accueillant ensemble Rafika Taher pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça, va, bien. Très bien. Alors pour ce matin, Salam, Salem, plutôt Mohamed Bazoum, n'est plus retenu dans l'enceinte du palais présidentiel de Niamey. Dans une attestation livrée par le tribunal militaire hier, lundi 8 janvier à Niamey, le fils de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023 par un coup d'État détenu avec son père a bénéficié d'une autorisation de mise en liberté provisoire. Cependant, il répondra à la justice dès qu'il sera requis, selon la même source. En football, l'équipe nationale sénégalaise a battu le MENA du Niger sur le score de 1 à 0 en match amical hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce match rentre dans le cadre de la préparation de la CAN 2023 qui se tiendra du 13 janvier 2011 du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nous allons terminer ce flash par une note nécrologique. Le chef de canton du Courfey et l'honorable Rachidou Marafa, est décédé ce mardi 9 janvier 2024 à Niamey, nous rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Il est né en 1941 à Filengue. Rachidou Marafa a été élu chef de canton du Courfey en 1993, canton qu'il dirigea 30 un endurant. Voilà. C'est tout pour ce matin. <laughs> Merci Rafika. Chers auditeurs, dans quelques instants, nous suivrons un entretien sur l'impact des crues du goulbi de Maradi sur la production des maraîchers qui exploitent à ce cours d'eau. Mais avant Rabi, nous allons partir en balade musicale, le titre Hungary de Safia. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm Whoa, whoa, whoa, whoa. Uh Oh, wow. Blitz. Tell me, how do you feel now? Yeah, yeah. Zantengaji ya babu shina. Oh, whoa. chanta bisu. Yeah, yeah. Ina maso ya enga Tu vis ta vie, je vis la mienne. Non, non, t'as pas raison. Comparaison n'est pas raison. Wesh, que tu kiffes ma vibe. Wesh, comme je kiffe ma life. Comparaison n'est pas raison. Mon ami, comparaison n'est pas raison. baki zo mu sha ku zo mu zo mu I select them garin Tu dis que tu veux me voir je suis là je suis là qu'est-ce tu vas me dire This is my territory abarta ah ah abarta ah ah Where are Sophia de son vrai nom, Sophia Aminami, est une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne. Elle se lance dans le monde musical lors de ses études au Maroc, dans la ville de Rabat, où elle intègre un groupe musical latino-américain. Parallèlement, elle intègre la chorale Polyphonia de Rabat et se met à l'apprentissage de la guitare. De retour au pays, elle intègre le groupe Kaidangaskia 2. fille met toute son énergie pour faire passer des messages de paix, d'amour, de tolérance. Ses chansons sont en français, Hausa, Zarma et Tamashek. vous êtes là. Yeah. Put your hands up, my fella. Yeah. Oui, ce soir, my people, vous êtes là. Yeah. And I wanna know us together. Mukau nang. Kakaita chang. Abarta nang. Abarta C'était le morceau Hungary de l'artiste Sofia. Tu bien dansé. Hein. Ah un morceau <laughs> super dansant. J'espère que vous avez dansé comme nous. Alors, fidèles auditeurs, nous allons entamer la première partie de notre entretien. La vallée du Goulbi est un cours d'eau sahélien qui se situe dans l'extrême sud de la région de Maradi. Il constitue une vallée à très fort potentiel agricole, mais depuis quelques années, les producteurs agricoles du bassin du Goulbi font face à la montée des eaux qui occasionne d'importantes pertes. À Tahirou Lawali, Mareshe o micro de Rabia Mekano c'est toi. <laughs> kai san gulbi da zuwa shi tun muna yara sosai muna son zuwa te tun lokacin tsohi. To in ya zo gulbin na wannan lokaci bai wata guda da ya zo ya ba da wuri an kama aiki. To yanzu matsalar da ke akwai manoman ranin nan gangare ba son zo gulbi sosai in gulbe zo sai ya turwa muwa kati muwa kai kana zanne in baka saba da wata kasuwa kin ga akwai matsala to da hanya ke akwai mutane ke tunanin in ya zo ya wuce to wannan wala ta yana da muhimmanci dan gulbe ya zo gonar ka in baka da rijiya mai kyau sai ka saki rijiya to kin ga ƙaramin manomi na dan wuri in aka ci sake rijiya ko da sosantimil da ka bada ko sankantimil kin ai abin kwarai ne to shi ta dangance da yanayin zuwa ruwa amma galibin masu itace gonaki na masu itace su kullum ma suna son zuwa ruwa dan ice na dauka wata hudu wata biyar cikin ruwa manyan mangwarka muna yankin lura kin ga ba ma ice ko daya to duka ruwa sun kashe su to an yi ta ice da an yi ta ice da yan general da yan ina mu zo mu ta yawo tun daga gulbin sama na abin da yake can wajen makabarta a ce ruwan nan su zo su hita har wani furoje yalan san kuɗaɗe muka zo duka aiki hanyar yanzu bai bai bai samu to mun san yanayin Nijar dama da take galibin ba duka ake fara aiki ba a ce a samu a yi da shi da muna fata Allah sa dai mu samu magabata na kwarai da za su kula da wanga aiki tunda nan yanzu aka ce babu noman rani cikin garin na da akwai matsaloli da yawa menene matsalar da kuke gani kamar a cikin harkar gulbin da ya sauya yanayin to yanayin sauya zuwa ruwa duk wani manomi wanda ke noma dai na kasa. yana sa ruwa su zo su shiga cikin wurin su wuce amma ka su tsaya dan ruwan suka zo wurin ka ko in ka zo ya ake kai ma in ka yi ka wanzanin ka yi ban ruwa sati daya ka yi to gulbi zo wanka ma in kai so daya kana yan sati biyu ma baka yi ruwa ba kinan abin kin ga ya kashi kashi biyu yanzu kin ga aiki zan hala da mi yanzu an gauran da sai mun sa ruwa ga isansa da tsada sai mun sa isansa ko mun tsada ta mun shiƙe wurin gaba ɗaya sannan a sa shanu a tara a aiki to in ya wuce haka in gulbi ya zo kuma in kai jiko ɗaya za ka tada wurin to haka shifka wurin wurin na da lema sarifan da zuwa ruwa ke nuna to shi sa abin na zuwa ruwa kishi biyu ne ruwa kowa na son zuwa amma su bar daɗiya su yi wata uku wata hudu in ruwa suka zo suna a sati biyu uku to kowane manomi na son zuwa ba su kashe ice kuma su zuma cikin hankali kwance kai aikin ka rijiya ka ta mutu ba zo kun yi sabanin zuwa ruwa da rashin zuwa ruwa amma gonakai na masu itace su suna son kullum ruwa su zo su cika gonakan su dama su noman itace ne suke mu kuma su noma nomiwa an ga in ruwa suka tsare ma wuri wata uku yana yiwa ma inda ke da hili su barka kai sai karshe ko ka aikin kuma lokacin da ba ta zo ta da kayan kayanka da ka samu wani abu kin yi da to ko kuna da masaniya bisa kan sabilin canjin wannan yanayin eh eh muna da masaniya canjin yanzu ba ga canji kina ga kai gaba ɗaya ba duk a noma ba kowa na tsoron ruwan kuma ba anuwa ba kuma ruwan ba su zo ba ba a ba kuma ruwan ba su zo ba kowa na jin tsoron wannan abin ne tunda gwamnati kama ta ɗauki mataki inda Allah kadara ba ga yadda muka ici ko da ruwan sun zo to sai mu ga karatun dan da can an yi wani aiki can wajen samulana an yi tattara abin gulbi haka to muna tunanin abin inda an zo na ayin to inda Allah ya kawo da sai mu ga karatun da zamu kuma na ciki bisa bangaren zuwa ruwan to kin je da yanayin zuwa ruwa yake karatun da muka yi nan na rashin zuwa ruwa ai bana ya wuce hankali shekara hudu komi ba a noma ga damuna shekara hudu C'était un entretien réalisé avec M. Atahiru Lawali, maraîcher au quartier Maradawa de Maradi. Avant de poursuivre avec la seconde partie de notre entretien, repartons en musique avec le titre Gang Almanay de Tobal de Dosso.

way. L'orchestre Toubal est une formation musicale du Niger. Il est créé en 1995 par le docteur Ousmane Aye et ses amis. C'est en septembre 1997 que l'orchestre se révèle au grand public à l'occasion d'un concert au Palais des Sports de Niamey. L'orchestre Toubal compte à son actif deux albums, Gozambiro et Katiboto, et un opus spécial en hommage au chef d'orchestre Hassan Isaka, dit dernier décédé.

Thank you. mondialement Manaï de Toubal de Dosso, fidèles auditeurs, passons au deuxième, à la deuxième partie de notre entretien. Les cultures irriguées figurent parmi les activités les plus importantes de la région de Maradi. Les produits maraîchers, moringa, tomates, pastèques, oignons, piment, mangue, goyave et autres sont des produits suivant la zone de la vallée du Goulbi Maradi traversant les départements de Madaroufa et Guidarumi. Une importante production maraîchère grâce au Goulbi qui alimente la nappe phréatique et arrose sur son passage d'importantes superficies consacrées aux cultures de deux crues qui s'affaiblissent au grand désarroi des maraîchers. amma yanzu in ya zo in na tsaye cikin ruwan ba a gani na wani ya riga ya hanya can bakin gulbin ya hanya da gulbin ya zo sai dai ya fashe to ko da mashariya ta zo sai sun zo sun cika mu gonakai amma inda a ce ka irin zuwar da ne suke yi sai ma an sara hatsi da komai su zo to wannan alhamdulillah kowa na san wannan za ka aiki cikin hankali kun ka shuka tumati da shu duk abin da ke sanin kasa insha Allah za ka samu randama yadda kake so bakin gulgudu amma yanzu ka gulbi da bai zo ba ka shika wurin ma ka yi aiki sai kana da shari tun da yanzu to isa su san yake to nawa za ka sa kai yanzu wanda ke toye litir goma litir goma ka da kenan in ka fara aiki kenan ma to ki kina ganin yanzu hala ake ka to litir goma kuma kullun yi za a kullun yi za a har lokacin abin da yake an abu yake kuma ba gyara Allah in bai da daraja in ga manomi hanzu ya shiga uku kenan sai abin da Allah ya eh, ba samu ko inda ake so ba me amma ga mun zo gulbi in gulbi na zowa yana hita to kowa na sa haka nan yanzu in kika dauke ni kabba ki ganin gwaba da mangoro da komi har gawo shi kadai ne ma ke tsira da ran shi amma dubu garo da kika sani nan ruwa sai suka shita ba da zuwa su ɗaya suka mahe wurin ba da wancan lokacin da ba zuma na mulki ya zo le ut tura ut ruwa da suka zo sai suka zo 21 nan duk gawo na kawai kika kallo ya cika da ruwa sai daga baya in suka kai nibu ba su da fan ta hita da sun kai bakin nibu bakin makabarta to wannan suke kwantawa sai lokacin da Allah sa suka shiga cikin kasa to kuma wannan lokaci ya wuce yanzu inda dai Allah sa bana bai kawo mu sani ko baɗi an ana ratin an fara gyaran gulbin Allah sa su magabata wanda suka fara wannan aikin su ci gaba da yin wannan aiki Allah ba su iko dan dai manomi kananan manoma kawai mu su samu sai dan da abin da suke nema to yanzu da cikin wannan yanayin ai suka kun ga kamar wata mahita eto eh bon yan mahitar da ke akwai yanzu a ce ma manomi karbiran na sauki in karbiran na sauki akwai mahita in karbiran baya sauki ina maganar mahita sai jalan Allah yana yawa da yawa yanzu aikin ma da karbiran mutane da yawa sun yi saboda isan su bai sai wa in isan su na turuwa san na turuwa san kin gani wani ya fara aiki tun da sai haddare to zai isan su na san ki san ki faran ko ku san ki san di faran in kai mai laji wajen 130 za a baka to guda nawa za ka toya kuma ka samu wani abu aikin ga akwai rigima to wannan kuma dai sha'ani ne na Allah kullum duk abin da za mu sai mai da shaunin Allah Allah subhanahu ta'ala ya samu mahita da ku da ke dauka ku je rahoto da mu da ke badawa Allah ka rawa martin tuban halishi abin da muke fata kenan yanzu kaman a ce ai zancen production ta karshe eh. production ku kamar a ce ta da da ta hmm. yanzu hmm. yaya ne wannan yanayin ya taba da ya ni kuke kuma yanzu halloci da production kin da muke in ka so iri na jikka biyu ya ishe ka yanzu hirar da zanen ni wanda na watsa ne production ya hina jikka ɗari tsakanin da Allah ya hana san mil komai na wani dina lalacewa wani ya mutu kin ba a gama da da da sai iri na domin faransai ya ishe ka yanzu ka wani ni na hana watsa na jika amma kuma wallahi da kalin ya ishe ni kin ga ya cewa inda ne inda aka watsa ne muke sami aiki yanzu aiki na yanzu dole na kuɗi ne da ai ba wani curuta ba komi da mun yi motsa gidan gona suke zuwa su yi mu tartaman general gaba ɗaya sai shi gonakan da magani yanzu kun kada gidan gona neman magani wa za a baka shi sai in ka aske nan yan meri shugabannin meri Allah saka masa da alheri in ka kai kuka sana ɗauko litir bi litir uku su bada ko kuma in gwamnati ta bada a baku wanda za ku hesawa tunda mutane zai yawa gare su to kin yi abin da ya sake yanzu aiki shine na kuɗi ne na jajircewa da kau babu wannan wahala babu culuta ba komi irin na domin ya ishe ka in fom litar ne dan kaɗan zaka sawa yanzu kau lissat fom litar sai ta kai jika talatin elezan eh, sanki kilo so guda goma jika ɗari uku to manomi yanzu in ba bashi zaka cewa ba jika ɗari uku ka sai iri kasa kuma ka jira wani ga ku kasa kin ga irin yawa gare ta tunda ba kuran bane ko kun fano solar ko kuna da wani kira na karshe da za ku to kira da zamu na karshe da maye maye wanda ke saurare Allah ya sa duk wanda ya yi kula da wannan maganganu saboda ruwan da ke zuwa nan ya kasance sana da mahita kuma manoma a yi kokari in gulbi bai zo ba ko da ma zai zan ai ba kan labari tun daga ya bani an yi sakaci da yawa wasu sun yi wasu ba ba yana da kyau in dai kana da karin yi to ka yi in ma ruwan sun zo kare riga kano mu hakkin gona ka ruwa sun jaye ci gaba zaka da aikin kakka zanna ka gama hannun ka guda biyu ka ce a Allah zai baka a Allah haka ne yake amma sai ka nemi Allah zai baka ina kira ga shugabanni subhanahu wataala Allah sa su zama masu tausayi da kula da manoma in sun kai guga a dalin rinka saurara musu abinda manomi ke nan yake saurare cikin kasa sai shi ma yana da inci Impact de la montée des eaux du Goulbi de Maradi sur les productions maraîchères. Un entretien réalisé au quartier Maradawa de Maradi. Observons une petite pause avant de poursuivre cette émission. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co aujourd'hui par Rabia Maikano et moi-même Urkaito Draman. De la rubrique santé d'aujourd'hui, nous allons parler de la maladie qui ronge les ongles appelée onychomycose. Cette pathologie est provoquée par des champignons selon Inoussa Issa Ali, médecin colonel, dermatologue, vénérologue à l'hôpital Aminou Boubacar Diallo au Niamey. Il est interrogé par Habiba Ahmed. Qu'est-ce qu'une onychomycose Une onychomycose, c'est l'infection des ongles ou bien du replis périingueux par des champignons. Les champignons, donc, euh, ce sont des microbes qu'on appelle des champignons. Voilà. Cette maladie, en général, un environnement favorable permet de voir surgir. Par exemple, quand on a euh, surtout la main dans de l'eau, dans des choses humides, dans des choses quand on manipule du sucre, euh, voilà des chaussures qui sont fermées. Tout ça fait, qui fait que ça permet, ça euh, crée un certain environnement favorable à la survenue euh, de ces champignons. C'est pourquoi les onychomycoses, au niveau des mains, on parle souvent de la maladie des ménagères, parce qu'elles ont souvent la main dans l'eau. Ou bien au niveau des pieds, et les pieds d'athlète parce que les pieds sont souvent dans des chaussettes, dans des chaussures, ils sont couverts et ça permet la prolifération de ces champignons. Comment se manifeste la maladie Comment se manifeste euh, la maladie Au niveau des ongles, par exemple, des mains ou des pieds, au niveau des mains, en fonction du champignon qui est en cause. On peut avoir un type de champignon qui peut donner une inflammation du repli péri inguéal une inflammation, c'est douloureux. Des fois, quand on presse, ça peut même faire sourdre un peu du puits. Et l'ongle devient souvent verdâtre, gris. Et ça peut progresser du début, je veux dire, de l'ongle vers, vers sa bordure. Et il y en a un autre type qui peut commencer également par ronger l'ongle, par détruire l'ongle à partir de la bordure et ça commence à, ronger, à détruire l'ongle, à le rendre friable et progressif vers l'arrière. Donc euh, voilà, souvent euh, ça fait gratter et ça fait devoir, c'est douloureux également au niveau, au niveau de ses ongles. Comment se fait le traitement de cette maladie le traitement, avant de faire le traitement, on préfère, si le plateau technique le permet, de faire un prélèvement. Donc on prélève un peu de poussière de l'ongle et on fait de la culture au niveau du laboratoire pour voir quel est le type de microbe, quel est le type de champignon qui est responsable. À partir de là, on fait la culture et on détermine le médicament, l'antibiotique qui lui convient bien. Mais à défaut également, on se sert des arguments cliniques pour traiter. Et le traitement comprend euh, une panoplie des médicaments qu'on appelle des antifongiques, des, des antibiotiques qu'on appelle des antifongiques. Et c'est ceux qu'on utilise traiter. Mais il faut préciser que pour les ongles, le traitement est long. C'est, ça va jusqu'à six mois. Le traitement est long, donc il faudra que le patient soit patient et qu'il collabore bien avec son médecin traitant. Ces champignons sont-ils contagieux Ces champignons, je ne dirais pas contagieux. Voilà, ils sont dans notre environnement. Voilà, on peut les attraper quand les conditions sont créées. Et comment s'en protéger Comment s'en protéger Il faut vraiment essayer de respecter certaines conditions d'hygiène. Il faut sécher. Après, si on travaille, on a toujours les mains dans l'humidité. Dès qu'on finit le travail, il faut vraiment sécher les mains. Ce qui est valable également au niveau des pieds. Il faut toujours garder les chaussures, les chaussettes propres, les chaussures propres, aérer les pieds dès que possible. Et vraiment, dès que les premiers signes se manifestent, il faut consulter un dermatologue ces champignons, s'ils ne sont pas traités, peuvent-ils conduire à des complications Oui, ces champignons, s'ils ne sont pas traités, peuvent conduire à des complications parce que ça peut détruire des ongles. Là, c'est à commencer par la qualité de vie du patient parce que le patient, non seulement il y en a les signes, notamment douleur, prurite, ça peut le gêner et puis ça peut également altérer sa relation avec son environnement. Parce que quand les gens regardent, hein, c'est le premier contact de la main on regarde que tu as des choses sur tes ongles, ça peut se répercuter sur euh, ta relation directe. Et en dehors de ça, c'est aussi des portes d'entrée. Si vous prenez au niveau des pieds, par exemple, c'est des portes d'entrée également d'autres gènes, notamment des bactéries. Je prends l'exemple des pieds d'attrait, C'est par là que certaines bactéries peuvent rentrer et provoquer des maladies plus graves de la peau. Et si la personne a un diabète, par exemple, là également, ça peut amener d'autres complications. Merci Habiba Ahmed pour ce mag santé très instructif. Rocky, en se le en musique. Oui, Rabi, avec le titre Fatima de MDM Crew. Elle s'appelle Fatima. Elle a un cœur de lion. Rakoya Jabaya. Kazaro Mamata. Aiki Chikinaja. Elle se bat pour ses enfants. Fatima. Tout ce qu'elle veut, c'est gagner son pain. Saboté n'est pas un atout. Fatima, elle se bat coréenne jusqu'au bout. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Fatima, eh. Sarah, on y a mata. Elle a mama elle Fatima tenu, tenu. ta sarone amata Fatima Elle a tout vu Les bons les mauvais moments Fatima Elle a tenu ta sarone amata Elle a tant souffert mais elle ne veut pas céder Elle est déterminée et rien ne peut changer ça C'est dans ce moment on reconnaît les vraies femmes même dans la souffrance, elle préfère rester forte. Digne et fière. Watarayuwa, kesamogani. Machemena tuwa, dubonge suwa, suwa gareki. Sarauni amata, oh non. Fatima, eh eh. Fatima, Fatima, Zaruma. MDM Crew est un groupe de rap nigérien composé de deux frères Majesty Soul et Sir Muslim pleinement entré dans leur carrière en 2004 avec le titre La faute, la, popularité de MDM Crew n'a cessé de croître au sein du public nigérien. Coqueluche de la musique nigérienne, il impose leur style dans la musique urbaine nigérienne et devient le premier groupe de hip-hop à faire un guichet fermé au Palais des Sports de Niamey. Voilà. Et euh, Rocky, il faut se dire que ce groupe, il débarque euh, dans le game, comme on le dit, et il donne vie, il redonne vie au hip-hop nigérien qui agonisait dans le temps. Mais voilà, la qualité de leur son ne laisse aucun mélomane vraiment insensible. Ils sont nominés pour la première édition des Awards Tarmamou en 2011. Nous célébrons ces étoiles qui font briller le nom du Niger dans le monde. Voilà, c'était euh, Fatima du groupe MDM Crew. Oui, si vous êtes de passage ou résident dans le département de Tessawa, région de Maradi, vous suivez l'émission Le Niger sur Kalangou sur la radio Tarmamoa au 97.7 MHz. Merci à la grande famille de notre radio partenaire. Et Wiruki, en plus, c'est à Maradi que nous mène notre rubrique Écho des régions. En effet, la région de Maradi, jalouse de son patrimoine culturel et traditionnel, forme des jeunes pour conserver la percussion du Douma. Les jeunes doivent prendre la place des anciens pour perpétuer dans le temps le rythme qui fait la fierté des Maradawa. Dix jeunes sont formés pendant 40 jours pour être les porte-flambeaux de la tradition. Reportage signé Mohamed Maman. Cet instrument qui donne ce son agréable est appelé Douma en Hausa. C'est un instrument de percussion traditionnel fait de calebasse ronde fermée par du cuir soutenu par des cordes considéré comme une identité de la région de Maradi, cet instrument tend à disparaître car très peu joué dans les cérémonies. C'est justement de peur qu'il ne disparaisse totalement que la Maison de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui de l'École de formation des arts et et Fac de Maradi, ont organisé une formation à l'endroit des 10 jeunes. Pour le formateur Tassu Bokoy, promoteur culturel et percussionniste de Douma, la formation a commencé par montrer comment se joue le Douma aux jeunes. horon ya soma ne tun daga yadda ake mai fata yadda ake eh, gyaran zare yadda ake dunkawa yadda ake eh, kidawa da kuma yadda ake kiɗa daban-daban yaya ne ake koya su yaya ne ake shirya su sannan kuma horon yana tafiya ne tare da bayan dinki da kuma gwada yadda ake ɗinka da sauransu da wanda ake kiɗa su da kuma yadda ake kamar azarkafa da ake da sauransu duka horon ya kunshi irin haka wani horo yare ne matasa da suka hito daga unguwanni daban-daban wanda akwai haɗi ma da ba cikin nan garin mara ba guda ya hito daga gidan rishi guda kuma daga gundumar ba da rufe yake cikin su goma da aka hada C'est avec fierté que Tassuk Bokoy parle de cet instrument qu'il maîtrise parfaitement. Il précise que toutes les conditions sont réunies pour une bonne formation. Tassuk affirme que la place du Douma en Afrique est très respectée. ba afirka ba a duniya ba ɗaya dai inda kaga duma to dan maradi ne in ba dan maradi ne ba to dan maraɗi ya koya mishi to sai dai yau idan muka yi lissafi muka duba muka gani gaskiya cikin makaɗan nan kaf na duma babu dan yaro dan ƙararrami wanda mu lokacin da muna shekara biyu zuwa uku muka fare har muka kai wannan lokacin babu su to shi yasa sai muka gani in tsohi ne kadai to duk da tsohin nan suka kare to kenan babu kiɗan wannan tarihi kuma ya shahi kuma ya goge kuma wannan al'ada wannan gargajiya kuma ta tahiyata da mu kuma ba mu fata c'est la conservation de cette réputation du Duma qui pousse le jeune Moubarak à apprendre à le jouer. Ce n'est pas facile pour lui, mais il arrive doucement. kuma abu ne dai wanda ya taso tun kafin ana yi ci zamanin da yawanci shi ne aka baya muhimmanci amma yanzu mutane yanzu ko kana su baya muhimmanci suna ganin fa abin ne wanda ya zama shirme na taga mutane ana abu dai ga yanar kala kala ranar kuma shi abin ba haka ne abin ne wanda aka taso tun kakanni da kakanni ana yin shi abin da ba sha'a gaskiya yana gani kala haka mutane suna yi kuma abu yana daɗi tunda duk mun ga bidai kansu da haka yadda suke shi abin yana da kyau yana da daɗin kallo tun da ya bani sha'a ke na yin fara shi to yaya horon horon gaskiya to ba ya ba daɗi ana ta yi daga yana ba ya ba daɗi na ɗan fara yawa Le formateur Tassiou est impressionné par la volonté de ce jeune à apprendre cet instrument qui, pour beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, ne nourrit pas son âme. wanda ya san duma a nan da shekara ɗari ya san maraɗi tana da kayan kiɗi wanda ake cin maduma wanda kuma ko ina da shi ake wato hoƙasa idan shahi sabga ire-iren ta aure sabga ire-iren ta biki sabga ire-iren ta murna da farin ciki to lalle da duma ake yin ta kamar yadda aka sani gaskiya yara suna mai da hankali nan ni gaskiya na taɓa ba da irin wannan horo a burkina faso na taɓa ba da shi a cote na taɓa ba da shi a mali amma ban taɓa haɗuwa da yara wanda suke mai da hankali ba kamar waɗanka. Avec des initiatives pareilles, le patrimoine culturel de Maradi qui est très riche sera conservé. Faudra-t-il encore que les autorités accordent de l'importance à ce secteur, comme on le voit dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Sénégal ce reportage rythmé depuis Maradi et signé Mohamed Maman. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. 11h passées de 37 minutes. Vous venez de nous prendre en cours, pas d'inquiétude. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiocalangou.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Rabi, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif est dans la place. Bonjour Hasumi Gourouza bonjour, euh, Rabi. Alors Hassoumi, le MENA du Niger a joué hier à Dakar devant les Lions du Sénégal. Ah oui, et le Niger a joué hier, vous l'avez dit, euh, c'était un match euh, déroulé au stade Abdoulaye de Dakar. Le Sénégal a de justesse, hein. je vous dis, de justesse, a battu le Niger sur le score d'un but à zéro. Pourquoi j'ai dit de ah, justesse hein. Ah, mais oui, parce que tout simplement, le but a été marqué au temps additionnel, c'est-à-dire après 90 minutes de jeu. 90 minutes, ça veut dire que c'est fini. Donc, le Niger n'a pas démérité. Devant les champions en titre, c'est eux qui ont la Coupe d'Afrique. Ah ouais. Les observateurs avertis du football mondial dans leur analyse, euh, pense que c'était, ça serait une large victoire du Sénégal face au Niger. Le Sénégal, le Niger se sont rencontrés huit fois et c'était une seule fois que le Niger et le Sénégal ont fait match nul. Après le match, l'entraîneur sénégalais Alioune a souligné que le match euh, Niger-Sénégal est positif euh, pour son équipe qui va partir défendre son titre continental car l'objectif, c'est de faire jouer tout le monde. Continuons cette page sport, euh, la Ligue régionale de Dosso pour le compte du sport pour tous et des randonniers pédestres à un nouveau bureau, n'est-ce pas, Gourouza Oui, Rukéa, c'est Dosso. Dosso, c'est la capitale de Germacoy Je veux bien parler de Dosso. Dosso Oui, le président est Tahiru Goumé et son objectif et l'objectif du bureau, c'est relancer les activités de la Ligue et détecter des jeunes talents pour pratiquer le sport. Et voilà le sport d'aujourd'hui. Merci bien, Gourouza À très bientôt pour notre page sport. Découvrons à présent la star de notre portrait d'aujourd'hui, Rukaya Abdou voilà, presque comme ma binôme, <laughs> une cinquantenaire est originaire de Gothey, région de Tilabéry. Son activité principale est le maraîchage, en particulier la culture d'oignons, de tomates et de salades. Et en dépit des difficultés d'écoulement de ses produits maraîchers, Rukaya Abdou parvient à joindre les deux bouts. Voici son portrait avec notre reporter Omar Hamma. dulo kicho to irmin eh, farai beri irmin tilam son do ne kawo zajiri fono ni sintin goyowo kaligoy wallahi wo kaligoy wo in sintin yongo 96 ko 97 ngir ne in sintin dumi sa fo dumina ne gada walla albasan de tilam ay mu salade ndan ku fangale bonkunga o du tomatiya Oh. albasan ogo yowo kan arango ga tewo ne na aranga nere wala arango na boryon kan kaga de ga konda nyame wallahi sin bo kur kan kaga de konda nyame alin nu goyir konda son ba man na wona hon kuna a goyir got bore se huira dir konda habu ki gisi irmiye jer aside kala hankir ko ka tedai mzamair wo za fonde we dabu wat ngan bore no ka eh, man sankine im gabai da im koy so kudu hawo ka amma man nan irmandi di ne albasa no kadai suri nang bara de no goras kanu ne wallahi go gondorandi ay gabe goy kul borsi goy kalmadu na fa ara na fa fono ni duara wallahi alhamdulillah zam du bor murar kay ne tunu bor go ki fer bor fosi be wodum bum bo gomnu ber no borse o agba bom ko ke bor fo bon ne fa be ga fa be ga de tu boni o adamai e zo sai ha den ga bo goran ga hamba no gono labo go kan ko eh, lab ko iman ne ganya bon fatte de bora e du giro ramu du di gem jam o oh, amma zam hara wo azaria kaddai suru hara wo azaria wo oh, borai go kin hera sino fa gun gidi so da ngne ka gun hay kan se kulenda kale dai mu amma kaddai suru ce yon fono ni gete danga woi borai do hare kambo kan sihinga kambe goi wala imene kali goi no gabi wala ke ngo kai ti se de tu bora madang bundur ku fatta wo kan an kela kan fatta kan amana widi numo fatta hala dum duwa bande da gem mu jenga banzam irko de kata o jenga o irko no kanda nguno katu duro zamal baseno de ngo jir jir no jir fo o ka wala alhamdulillah jir fo mo la ga hamba ndi bor ngare wod sinam bom yek décourager kana yese sada bor gada zama irko man kibo se kana yese nomi kam bor man du hada se bor ge kada na fer gara wala zama bo de bonge go dabu di hige te bor koy kebe te bor ko du buye kun funo bor ko kun fadom akul bor fosi beaga tamal bor si kada bor sudu dalezo kam fatta mot koy su bo dangir koy se o awala irko er, er do le nir koy sabu Le portrait de cette brave dame est signé Omar Hama pour notre dernier tour en musique. Allons avec Doné Nogakanu de Mamoudou Alam. ndeysan ta jeyima gaanu wo kayyan wonne fa fay ka isehenay mooma jirbi kay ay bunnoboga hanga bunangal yoobiba baaba mar jaangal hajiide walla siisay jamma kuñe walla daada biibe jaadi walla ɓeene malloo hamaani lazarenayya koyya soo feerey liimago yaali mbore kindo duga tema kindo mo duga hau haujam gunigarijo haruna widangaya sanera imi kimo wayinyangaise jahado sinde nani gama labiga nere sino wiyando jibiyilla wahijo ne corane sanno ga kungu ganda wi hay kulsi na dai no jam ka madalla biba baba aliyu biba baba mana tini ngaba dukai ne wi somanai saga haru somanai moto warar kai kone bibi jadi dai mustafa bibi jadi aliyu biba baba wa fonni safi goka wa fonni safi goka tintil mai wala kurana kai izu wai kindo mai hiji bagada da magoro nyongosi అరున్నగ బాగగాను అరున్నగ బాగగాను సాతడకమ్మన్న కోబాసే హిజై పడకామ జంతి కై ನೋಡಿ ಆ wagiyo wisunna faadi kunye da jara lima kurnye walla dada gammi kurnye aliyu garaba kaine na magaso bara bara ise dai ben mun lo hamani hamani ganda sunna kuna sanda tawaye tawaye ka Tambore kindo duga tema kindo mo duga hau jam. Kwata kune kuya muruwana ngala hajide asimi tubari kalla dangilera tubari kalla adara cheido kuya molana la hadi lati ala hadi kobora manaka lazare no kalu mana maalii faawa kuyde wala koorow faawa kuyde wala mammana faawa kuyde wii hama kula kanga kaanu wii kandama sinda wadu ndayŋaliyo biiba baaba wayija daara mariyo wayija daara mariyo na masoro gudi kuri nyoma sidiri ga mohoru jamfu dai mamudu zara maganda dai mana gane ya kwaya wisa gaga guli bore wisa gaga guli bore ba mohono bora ga nesi wal kollaga tinini ga sairi wala kuda tinini ga sairi

kindo duga tema kindo mo duga hau jambu imi ki mo sa tare se wasan ho gana bore se wako ka hangana ala satar na sarun na wato gana ga gandai ifa ya si gandai bogo bo bogo bogo ize Mamudu yara maganda kauye da sikwai wadata. ba kai ma bai kai ni zifi zoro si so galala dai lora ka savaru kilinyo to sana boyendi Galabo jago gagano wandi kam mana ko ba se bombin dora mafobu ganda gande tintili mai wala kurana izuwai cindo goyote cindo mogo kubara dai mamudu zara maganda yogo dai gari sino farkai da sikungu jeje imakwai ga kiyo ko yaise dingazi labo ga kanu maurai kula gwandalam kala jogo mena ngisaka isa ka ga da lamba fulon ise na ga haru. Dai fando gai zabu bewi mana ganai ga koya. wai kindo mahiji turun da na rai masefa. In ki mosa tare sai uwa ka hanga waraga. Hal satar na sauru na wata hoga na ga gandai. ngadamaa lokkoliise tintilimai wala kuraana ninzeero bananga kano mboro kule mini boyi kayendi amana sangwaga jiri bigubayiza si balla Waneino Gakano de Mahmoud Walam, bien sûr, un son qu'on dédie à tous les ressortissants de cette localité qui nous suivent sur cette émission, qui est clairement euh, un rendez-vous de bonne musique. <laughs> Merci pour ta sélection musicale super rythmée, Rouki. Alors, de quoi parle Loti d'aujourd'hui Rabi, la rubrique, la rubrique Loti du Dex femme du studio Kalangu porte sur la conséquence des fake news sur les réseaux sociaux. En effet, ils sont nombreux les utilisateurs qui parlent partage des fausses informations sans pour autant vérifier l'authenticité, l'authenticité des, faits. <laughs> Et cela comporte des risques car il y a une loi qui sanctionne la publication des fausses informations par voie électronique au Niger. Écoutons Rekia Animi et Fanta Shamsou. Hey Rahina, ke hina Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya hadu Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me Duba ki ga abin da aka yi komin cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana na yana raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? ke dakata malama ba sanin wanda ya aiko min ba ne mahimmanci anan kin ga mu yan adawa ne bar mu yada wannan ya kunnan kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe, a yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don ƙarya ce don me za a yaɗa shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki, yaɗe yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo dokar 2019-33 na uku ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren wa'annan laifufukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka ma'ana na'urorinka da kake amfani da su hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo kuma ana iya ƙulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa ni kawai in na samu masu ɗimi ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hei hajiya, ki hattara wata rana za ki ƙone kanki. Ta hanyar yada wannan bayani akan shugaban jam'iyyar fitila idan har ba a tabbatar da shi ba kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma bata masa suna wannan kuma bai kamata ba. Hakka ne abin yake gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau ba komi muna tare kin ma katse ni ai ban ƙare faɗakar da ke ba akan laifuffukan yanar gizo to ina jin ki gora kin shigo Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki goma sha biyar. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru uku zuwa shekaru shida, da tarar da ta kama miliyon ɗaya zuwa miliyon goma. yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To sun yi shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke ni na ma daina amfani da WhatsApp WhatsApp daga yau kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi ƙoƙarin aika wani abba. <laughs> ke tsaya malama ba a kai nan ba kar ki cire kanki daga cikin duniya mana ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce ai kar ki damu yanzu zan yi hattara sosai <laughs> madalla hakan ya fi to yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo ni Don Allah ruwa mini asiri <laughs> <laughs> Ah, ah, <laughs> ah, Merci les filles pour ces conseils. Fidèles auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangou, c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est Asumana China, journaliste traducteur à langue Hausa, qui nous vient avec le mot « vœu ». Bonjour, China. Bonjour, Rabi. Bonjour, Rukaya. Bonjour, China. Tumar da masu mu maza da mata barkan ku da kasancewa a cikin wannan shiri na studio Kalangu wanda a cikin shirin kuma akwai dan gutsure kaɗan wanda ake kawo muku ma'anar kalmomi. Yau dai kalmar da muke da ita ita ce ake ce ma fata. Fata kuma shine ake ce ma ve da Faransanci. wato a farkon wannan wata na janvier dai muna yi muku fatan kyakkyawar shekara ta 2024 kenan za ku gane cewa kalmar ta ita ce wato fata da faransanci ana ce mata ve idan an ce fata dai ana nufin buƙatar samun wani abu da ba a da shi ko ba a mallake shi ba mm. mu ɗauki misalin wato ina yi maka fata alheri cikin wannan sabuwar shekara ko kuma ku rabi da rukayya ina muku fatan samun alheri a cikin wannan sabuwar shekara fata <laughs> eh, wato wato ana nufin allah ya sa Eh, ku dace da abubuwa masu alheri eh, na cikin wannan sabon shekara wato ko kuma abubuwa na karuwa ko kuma na cigaba a cikin ayyuka da dai sauransu sannan kai kuma wanda aka ma wannan fata kana iya cewa na gode kai ma ina maka irin wannan fata wato ma'ana ina fatan kai ma ka samu alheri ko kuma ka samu wani cigaba a cikin wannan sabon shekara akwai dai misalai da dama misali ina iya cewa shina misali <laughs> takarda ta bace maka ko takarda ta bace <laughs> amma zan samu mota okay eh akwai misalai da dama kamar wato ina fatan na sami sabuwar mota mai kyau a cikin wannan shekara mhm. aiki maruka yake da wani fata ko ina sela domin fata fata kuma kina da <laughs> fata ko to kenan fatan nan shine aka ce ma ve ko kuma in ce ina fatan yi bulaguro a cikin wannan sabon shekara in ta inda ban taba zuwa ba duka shi ma view ne wato fata kenan mm. wato da ita fata da ake kira view da faransanci wani sa rai ne mm-hmm. eh, don samun wani abu ko don saboda wani ko kuma kai don saboda kanka ko kuma cimma wata manufa da ka a gaba Euh, ici s'arrête l'émission Le Niger sous de ce mardi 9 janvier. Vous étiez en compagnie de Rukayatu Abdraman et moi-même Rabia Meikano. On se dit à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. Bye bye.